le plus souvent, c'est eux-mêmes qui décident d'aborder ou de commencer euh, cet entretien-là ou ces liens avec une fille ou avec un homme, un garçon, sans pour autant passer par le cadre euh, familial ou par la cellule familiale, le cadre traditionnel qu'on connaissait. Donc c'est des expériences le plus souvent que les jeunes commencent à tenter. Et euh, l'autre aspect, c'est l'influence euh, de, de leur cadre euh, qui peuvent amener la plupart de ces jeunes à s'ouvrir à d'autres filles ou à la fille d'accepter les avances d'un homme. Donc, euh, ces deux facteurs combinés nous amènent véritablement à, peut-être à observer une certaine distinction entre la vie actuelle de ces jeunes dans le cadre de ces sentiments qui est euh, tout à fait naturel, qui, peut, qui existe entre l'homme et la femme, et la conception que nous avons au niveau social de, de, ces sentiments-là. Et surtout, comment est-ce que, euh, à travers un processus bien balisé, la société, euh, notre société, en tout cas, à un moment donné, accepte ou autoriser que ce sentiment-là puisse être exprimé et que l'on puisse le vivre. Mais aujourd'hui, nous constatons, en tout cas à travers les témoignages de ces jeunes-là, que c'est toute une autre réalité. C'est euh, à la limite de la rue, c'est à la limite grâce aux réseaux sociaux, avec l'influence des camarades. Euh, comme nous l'avons dit, euh, avec l'influence donc des groupes de pères, que ces jeunes-là abordent euh, ce, cet aspect assez sensible de leur vie. Oui, évidemment, ça a beaucoup changé du moment où la société elle-même, la société, si on doit s'en tenir à la société nigérienne, elle a, elle a évolué. Donc, il y a beaucoup de, de, paramètres nouveaux qui sont venus et qui permettent euh, euh, véritablement ou qui facilitent la communication ou la vie de ce sentiment d'amour sans pour autant peut-être être dans le même cadre que nous connaissons un peu conventionnel.